et c'est l'heure de notre émission Le Niger sur Kalango. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce dernier numéro de la semaine. Je suis Habiba Ahmed en compagnie de Salamatou Kadri. Bonjour Salamatou, comment tu vas Salut Habiba, et de ton côté ça va Je vais bien. Pour le programme du jour, nous commencerons par les flèches d'information qui nous sera présentée par Nafisa Adamou Surfo. Dans cette même émission, nous recevrons Rafika Attar pour la revue de la presse, très attendue par beaucoup d'entre nous, chers auditeurs. Il y aura également les autres rubriques qui ne sont plus à présenter telles que la chronique Loti, la culture linguistique, la page sport, la rubrique éco des régions qui nous amène à Tilaberi. Ce programme sera accompagné par de belles musiques nigériennes. Comme invité, nous recevrons Ibrahim Hamidou Maikaka, entrepreneur qui évolue dans le domaine du marketing relationnel. Nos échanges tourneront autour de son activité. Chers auditeurs, restez à l'écoute. C'est parti pour une heure d'information et de divertissement. Comme prévu, chers auditeurs, voici le flash d'information avec Nafisa Adamou Surfo. Bonjour Nafisa, Bonjour Abiba. Bonjour Naf. Bonjour Salamati. Bonjour à tous. Euh, bienvenue dans ce flash d'information. Hier jeudi 6 juin, les ministres nigériens du pétrole Barkibako Mahaman et de la justice Aliou ont, dans un point de presse conjointement animé, réagi sur l'arrestation de la directrice générale adjointe du WAPO au Niger et de quatre autres membres par les services de sécurité béninois. Le ministre du Pétrole a exposé la chronologie des faits ayant mené à cette arrestation et a annoncé la fermeture du poste initial du brut de Koulélé à Agadem dès le jeudi soir si les ressortissants nigériens ne sont pas libérés. Le ministre de la Justice a menacé de saisir les juridictions compétentes, y compris la Cour d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires au HADA si aucune solution n'était trouvée rapidement. L'acheminement des pèlerins nigériens en Arabie Saoudite pour le Hajj 2024 a pris fin hier jeudi. 6 juin, le dernier vol charter avec à son bord 350 hommes pèlerins a quitté hier. Au total, 440 hommes pèlerins ont été acheminés par vol charter selon le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah par la compagnie Nigeria Airlines via son partenaire Flydeal. Enfin, un schéma directeur de la santé numérique sera bientôt adopté au Niger, annonce faite par le ministre de la Santé publique, le médecin colonel-major Garba Hakimi Agname. Selon le ministre, le schéma permet de planifier les investissements d'optimiser les ressources et d'anticiper les évolutions technologiques et aussi de maîtriser les risques tout en favorisant la communication et la collaboration au sein de l'institution. Le comité de pilotage technique et de la digitalisation du système a déjà été mis en place. C'est la fin de ce flash d'information. Merci Nafa pour toutes ces informations. Passez une mhm. excellente journée. Chers auditeurs, comme je l'ai annoncé en début d'émission, que notre invité est Ibrahim Hamidou Maïkaka. Bonjour Ibrahim. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Voilà. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord écouter notre première sélection musicale. Il s'agit de l'orchestre Toubal de Dosso avec le titre Ganguio. Capoeira. tukobala imba mate abarabanya revenons au studio pour entretenir avec notre invité. Alors Ibrahim, avez-vous aimé cette musique J'ai beaucoup vraiment aimé, j'ai très très bien aimé. <laughs> voilà, pour commencer, dites-nous de manière simple, qu'est-ce que le marketing relationnel Alors, euh, bonjour à, tous. je suis vraiment très ravi euh, pour cet accueil très très euh, chaleureux, très généreux que vous avez eu à me faire. Je disais que hmm, pour d'abord commencer, je me présente au nom d'Ibrahim Amidou. Je suis euh, un entrepreneur qui est dans le, dans le domaine du marketing relationnel. Euh, le marketing relationnel, mhm. c'est en fait euh, la distribution d'un produit qui s'est fait à l'usine au distributeur. Donc il y, a des distributeurs qui se posent pour pouvoir quand même se faire. Il y a des distributeurs qui se posent pour pouvoir recommander ces produits-là au niveau des gens qui en ont besoin, tels que les produits cosmétiques, les produits de santé. Donc il y en a plusieurs, plusieurs types de produits qui sont là et que euh, nous, en tant qu'entrepreneurs, on part pour pouvoir prendre ces produits et maintenant recommander ça, au, recommander ça aux personnes. Donc je dirais que le marketing relationnel, ce sont les entreprises qui, du 21 siècle. Donc ce sont l'une des entreprises du 21 siècle et que ça va pouvoir permettre à beaucoup de personnes, même si quand tu n'as pas en fait euh, les moyens de pouvoir créer ta propre entreprise, tu peux te lancer dans le domaine du, euh, marketing relationnel. C'est ce qu'on appelle le MLM, le marketing multilevel marketing. Donc ce sont les Américains qui disent ça. Si on comprend, c'est des entreprises euh, modernes, quoi. Voilà, des entreprises modernes qui sont là. Mais eux, ils font leur publicité grâce aux gens, c'est-à-dire grâce à travers les personnes, comme vous et moi. Donc c'est en fait c'est comme ça ils font leur publicité. Ils ne font pas leur publicité grâce aux bi au biais à la radio, à la télévision. Donc ils, prennent des personnes, des personnes physiques pour pouvoir quand même reconnaître leur histoire. Des bouches à oreille alors. Très bien, des bouches à oreille. Super. Alors Ibrahim, c'est quoi la motivation entrepreneuriale Alors la motivation entrepreneuriale, c'est en fait le, résultat de déterminants, le résultat de déterminants personnels et environnementaux plus ou moins conscient. Donc c'est ce qui motive en fait la personne de pouvoir aller chercher des problèmes au niveau, chercher des problèmes personnels ou bien un problème qui, qui, qui est en train de se passer autour de toi. Maintenant tu essaies d'apporter des solutions. Donc c'est ce qui va te pousser en fait à te lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Parce que quand tu t'es dit que tu vas, tu vas partir chercher euh, des solutions à un problème, tu t'es déjà, déjà mis dans la peau d'un entrepreneur. Donc, tu vas partir chercher ces problèmes-là. Qu'est-ce que tu appelles problème Les problèmes, c'est-à-dire, par exemple, par exemple, quand on t'en prend un problème personnel, par exemple, j'ai pas, je ne me suis pas marié, donc ça, c'est un problème pour moi. Donc, je dois faire tout pour que je puisse résoudre ces problèmes-là. Ah, ok. Donc, voilà. <laughs> donc, je ne me suis pas aussi, j'ai pas de maison, donc je dois faire tout pour que je puisse résoudre ces problèmes-là, de, d'aller de, de, un problème de la maison. Donc je ne me suis pas aussi, j'ai pas de, un moyen de transport. Donc il faudrait que je puisse trouver les moyens pour que je puisse avoir ces moyens de transport. Quand on prend les, les, les, volets environnementaux, donc les, les volets environnementaux, on peut prendre le cas de la société. Donc quand il y a un problème, soit euh, euh, dans, au niveau de votre, dans l'entourage, soit dans le quartier ou bien euh, dans ton pays, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc tu peux dire que, ok, moi je veux pouvoir résoudre cela en apportant des solutions pour qu'on puisse avoir un développement dans ce pays. Quelles sont les motivations des entrepreneurs, Brahim Les motivations des entrepreneurs, c'est-à-dire les entrepreneurs, ils ont la rage là. Ils ont cette rage de pouvoir avoir plus dans la vie, de pouvoir avoir plus, de créer, de, de créer, de, de répondre à plusieurs, euh, de répondre à plusieurs euh, solutions, d'amener des solutions. Et maintenant, ils ont aussi euh, le dit sur cette rage-là de relever le défi. Et ils ont aussi cette, envie-là, l'ambition aussi de pouvoir être, le, être son propre boss. Donc quand on crée une entreprise, on dit que ok, moi je veux créer cette entreprise, je veux pouvoir être mon propre boss. Donc je veux, j'ai, le droit de travailler quand je veux, où je veux, et voilà je, suis libre. quoi. Et maintenant, comment motiver un entrepreneur alors, pour pouvoir motiver un entrepreneur, <laughs> il faut, <laughs> il y a plusieurs, il y a plusieurs aspects qui, sont, qui sont là. Un entrepreneur doit euh, quand même se motiver euh, quand il se sent dans un bon entourage. Donc, tu dois être avec les personnes qui ont la même vision que toi. Donc c'est en ce temps que tu vas voir que tu te sens toujours motivé. Et aussi, il y a des, des, des, podcasts, il y a des motivations que tu vas pouvoir avoir chaque matin que tu t'élèves. Parce que être un entrepreneur, c'est quelque chose de très très euh, complexe, si on peut le dire. Il y, aura des moments, il, y aura, il y aura des moments quand tu vas t'élever, tu vas te sentir, ah, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Il faudrait que maintenant tu puisses trouver la motivation là qui va t'amener à, ce que tu puisses continuer dans ce que tu es en train de faire. Il faudrait que maintenant tu cherches tous les moyens qui vont te permettre de pouvoir continuer, qui vont te permettre de chercher des stratégies, de chercher des solutions pour pouvoir mettre en place. Tout à l'heure, vous avez parlé de complexité. Qu'est-ce qui peut freiner l'entrepreneur alors L'entrepreneur, ce qui peut le freiner, c'est le manque de la motivation, comme je l'ai dit. Ça peut y être que la personne n'est, il n'est pas en fait motivé dans ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas ambitieux il n'est pas un homme qui est très très ambitieux dans ce qu'il est en train de faire. Donc le fait de la, motivation peut freiner un entrepreneur. Le, fait de ne pas être motivé. Et c'est pour cela que je conseille à toutes les personnes de pouvoir vraiment euh, prendre de la motivation, de savoir ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'être un entrepreneur Quels sont les problèmes qui t'ont euh, poussé à, à, être un entrepreneur, à te dire que toi tu es un entrepreneur, quels sont ces problèmes-là Alors, les problèmes-là, les pourquoi-là que tu as eu à te dire, donc ce sont à chaque fois quand tu te dis, quand tu vas pouvoir euh, un peu te freiner, quand tu vas pouvoir un peu euh, relâcher, tu vas penser à ces pourquoi-là. Ce sont les pourquoi-là qui permettent à tout le monde d'avancer. Donc, ce qui peut te freiner, c'est seulement la motivation. Quand tu ne sais pas pourquoi même tu as décidé d'être un entrepreneur, donc c'est ça qui va te freiner, Mais maintenant, quand tu sais et que toi tu te penses toujours à, quand tu penses toujours à ça, à la, à ton pourquoi là, c'est en ce temps que tu vas pouvoir euh, chercher les, solutions. Eh Merci Ibrahim. C'est la fin de la première partie de notre entretien. Merci. À présent, suivons ensemble la revue de la presse avec Rafika Attar. Bonjour Rafifi. Bonjour Salamato. Bonjour Rafika. Bonjour Habiba. Quels sont les faits marquants de la semaine Rafika, le pétrole du Niger. Patrice Talon lève l'interdiction de chargement du pétrole. Journal la ligne comme le Niger, comme le jeudi 6 juin. Oui, Salamatou, il n'y a plus d'obstacle au chargement du pétrole brut nigérien à partir de la plateforme de Sémé. Les autorités béninoises ont levé toutes les interdictions. L'information a été rendue publique par un média béninois. Selon la radio, le gouvernement béninois a donné toutes les autorisations nécessaires à WAPCO, la société chinoise en charge du pipeline pour les opérations liées au chargement de ces bateaux au terminal de Semekpoji, après que le Bénin ait engagé un bras de fer avec le Niger en interdisant le chargement du pétrole. Patrice Talon avait subordonné l'autorisation du chargement du pétrole nigérien à l'ouverture des frontières. Il avait également dénoncé le caractère informel des relations qui lient depuis quelques mois le Niger et le Bénin. Entre-temps, le journal en ligne Actu Niger de ce vendredi 7 juin 2024 annonce l'arrestation d'officiels nigériens. En effet, les tensions entre le Niger et le Bénin ont atteint un nouveau sommet concernant l'exportation du pétrole nigérien via le port de Sémé au Bénin. Hier 6 juin 2024, un incident a enflammé les relations entre les deux pays. L'arrestation de la directrice générale adjointe du WAPCO Niger et de quatre autres membres de services de sécurité béninois et des quatre autres membres par plutôt les services de sécurité béninois. Les autorités nigériennes ont vivement réagi à travers un point de presse conjointement animé le même jour par le ministre nigérien du pétrole Barkebako Mahamman Mustafa et celui de la justice. Le ministre du pétrole a exposé la chronologie des faits ayant mené à une arrestation et a annoncé la fermeture du poste initial de brut de Koulélé à Agadem dès hier soir si les ressortissants nigériens ne sont pas liés. Les autorités béninoises ont justifié ces arrestations en accusant les ressortissants nigériens d'avoir pénétré dans le terminal de l'oléoduc sous de faux prétextes. Le procureur spécial Mario Motonou a déclaré que les enquêtes se poursuivent pour déterminer les motivations réelles de ce groupe, soulignant que deux des détenus sont soupçonnés d'être des agents de la junte militaire nigérienne. Le ministre de la Justice, Aliou Daouda, a fermement condamné l'arrestation, la la qualifiant d'illégale et de violation flagrante de l'accord bilatéral entre le Niger et le Bénin et a menacé de saisir les juridictions compétentes, y compris la Cour d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA si aucune solution n'était trouvée rapidement. Inondation au Niger, 13 morts, 15 blessés et des milliers de sinistrés selon la de GPC, article à ligne Niger Diaspora le 6 juin 2024. Effectivement, Habiba, les inondations récentes au Niger ont causé des pertes humaines et matérielles considérables selon la Direction générale de la protection civile DGPC. L'institution rapporte que 13 personnes ont perdu la vie et 15 autres ont été blessées. La région de Maradi, située au centre-sud du pays, est le plus, la plus durement touchée avec 11 décès et 11 blessés. La région de Zender au centre-sud-est et a enregistré les deux autres décès. Dans la région de Tilaberi, à l'extrême ouest, quatre personnes ont été blessées. Les intempéries ont également eu un impact significatif sur les moines de substances, avec 2933 personnes affectées, réparties dans 381 ménages et une perte de 325 têtes de bétail. Au total, ce sont 18 communes à travers le pays qui subissent les conséquences des inondations. Rafika, enfin une page e-sport dans cette revue de presse lutte traditionnelle Coupe du ministre des Sports. Cheibou Arji de Maradi remporte le trophée Agence nigérienne de presse le 2 juin 2024. Cheibou Arji de Maradi, champion de la deuxième édition du tournoi de lutte traditionnelle dénommé Coupe du ministre de la Jeunesse, et de la Culture, des arts et des sports à l'arène des jeux traditionnels Salman Rani de Dosso dimanche 2 juin 2024. Sheibo Arji, déjà en finale, a automatiquement été proclamé champion de ce tournoi de lutte traditionnelle à l'issue d'un match nul qui a opposé Rabeu Marou de Zender à Bello Ila d'Ottawa. Par contre, selon un article de l'autre républicain, le 5 juin 2024, la deuxième édition de la Coupe du ministre des Sports et est un tournoi sur fond d'amateurisme. D'après le journal, organiser un tournoi sans pour autant disputer la finale, la fédération a failli dans sa mission. Et pour enfoncer le clou de l'amateurisme, Sheibo Arji de Maradi, qui est qualifié pour la finale à l'issue de la première demi-finale où il a terrassé Amin Ibrahim de Tawa, n'a donc plus d'adversaire pour la finale. Il a été déclaré par le ministre des Sports, le colonel-major Abdraman Amadou, vainqueur de ce tournoi. Amidou Ibrahim, qui a déjà été terrassé en demi-finale, se voit gracieusement offrir la deuxième place à la surprise générale des acteurs. En effet, selon le code de la lutte, Amidou Ibrahim doit figurer à la quatrième et les deux lutteurs disqualifiés et qui ne sont pas tombés devraient normalement être deuxième ex aequo, détaille le journal. Par ailleurs, nombreux se posent la question de savoir pourquoi le ministre des Sports présent à la compétition n'a pas donné à ce que les trois avertissements écopés par le lutteur Bello Ila soient exécutoires pourquoi le directeur national de la médecine sportive, pourtant présent de l'arène, n'a pas été consulté pour donner son avis médical si la deuxième demi-finale pourrait être reportée le lendemain matin. Pourquoi un lutteur tombé en demi-finale se trouve à la deuxième place La confusion dans les arènes doit s'arrêter. Ce qui s'est passé à Dosso ne doit plus se répéter au risque de faire, de perdre notre sport roi toute de faire perdre à notre sport roi toute son essence, a conclu, le journal. Et voilà pour la revue de presse de cette semaine. Merci Rafifi. Merci Rafika pour toutes ces informations. Passez une belle journée. Merci Aviva. Chers auditeurs, vous qui nous suivez en direct, vous êtes à l'écoute de l'émission Lenija sur Kalango. Je vous rappelle que notre invité du jour est Ibrahim. Il est entrepreneur et évolue dans le domaine du marketing relationnel. Alors Ibrahim, revenons à notre sujet. En tant qu'entrepreneur, dites-nous quelle est la clé de la motivation durable La clé de la motivation durable. Donc pour la première fois, il y a le pourquoi. Donc, allez, pourquoi Pourquoi tu t'es décidé d'être un entrepreneur C'est la, première c'est la première question que tu dois te poser. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat il faut d'abord chercher ton pourquoi. Parce que le chemin, tu peux y rencontrer des obstacles, tu peux rencontrer des défis, tu peux rencontrer des challenges, tu peux rencontrer plusieurs, plusieurs choses tu peux te sentir sans, sans motivation. Tu peux te lever sans, sans, motivation. Rien, il n'y a rien qui est là. Mais quand tu penses à ton pourquoi, donc c'est en fait cela que tu vas voir que c'est en ce temps que tu vas voir que de, tu vas pouvoir chercher des stratégies, tu vas pouvoir chercher des solutions pour que tu puisses continuer à pour que tu puisses continuer à entreprendre ce que tu es en train de faire. Et la deuxième la deuxième des choses c'est euh, en fait, il y a des personnes qui se lancent dans le domaine de l'entrepreneuriat sans, sans rêve ni, ni, ni, ambition. Donc il faut d'abord imaginer et écrire. Il se jette seulement sans rêve ni, ambition. Donc la personne se jette et il se donne le titre d'un entrepreneur. Alors que ça, c'est pas, c'est pas du tout, c'est pas du tout bon. Donc, il faudrait que quand tu vas te lancer, tu y aies d'abord ton pourquoi. Et maintenant, tu puisses avoir aussi une, idée, de ça. Est-ce que vous voyez Donc, mm. et maintenant, tu puisses maintenant écrire tes rêves. Qu'est-ce que tu veux accomplir La chose là que tu veux que tu que tu as décidé d'entreprendre, où est-ce que ça doit te mener Donc, il faut qu'il y ait des rêves et des visions. Il faut juste avoir un plan. Un plan. Voilà. Un plan d'affaires. Maintenant, le plan là va t'amener loin va t'amener jusqu'à ce que tu puisses même internationaliser les choses. Et la troisième des choses, ce sont les raisons. Quelles sont les raisons qui vont te pousser à entreprendre Donc, ce sont les trois, les trois choses que la personne doit se poser. Donc, pour pouvoir euh, avoir la clé de la motivation durable. Donc, ce sont les trois choses. Et nous avons ici, vraiment, nous avons besoin des personnes ici au Niger. On a besoin de ce type de personnes et quand tu vas te lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, que tu te dis que, ok, donc il faudrait que d'abord, le Niger, c'est un pays, dans tous les, dans tout le, dans tous euh, les domaines, on est dernier, sauf le domaine de la natalité, si on pays. Donc, dans tous les domaines, on est dernier. Donc, maintenant, le pourquoi là. Donc, je vais chercher pourquoi est-ce que nous, on est dernier dans tous les domaines. Il faudrait que l'entreprise là que je vais créer et que ça puisse, et que je puisse internationaliser ça. Donc quand tu te lances comme ça, tu vas voir que tu vas pouvoir accomplir des grandes choses. Le pourquoi, imaginer les rêves, et aussi les raisons qui vont te pousser à entreprendre. T'es engagé beaucoup de personnes parce que nous avons des personnes qui sont vraiment qui n'ont pas en fait de boulot. nous avons des jeunes qui sont en, dans le domaine du, chômage. Il y, en a, plusieurs. Donc maintenant aussi ça c'est un problème que tu vas avoir, que tu vas te lancer pour te dire ok. Donc à travers ça je vais pouvoir vraiment résoudre ces problèmes de chômage pour pouvoir créer, pour pouvoir engager beaucoup de personnes à maintenant venir c'est-à-dire euh, réduire le taux de chômage. Donc c'est en fait ça le troisième, les, trois types de choses que la personne doit se poser pour pouvoir avoir la clé de la motivation durable. Ibrahim, selon vous, quel est l'avenir de l'entrepreneuriat au Niger Oh, l'avenir est très très radieux. Parce que jusque-là, nous n'avons pas des, nous n'avons pas des entreprises hautement qualifiées qui ont internationalisé les choses. Nous n'avons pas des, des, personnes qui ont, en fait, les, les, visions. Qui n'avons pas des personnes qui ont la vision jusqu'à ce qu'on puisse sentir le nom du Niger, même à l'international et autres. Voilà, merci beaucoup Ibrahim, c'est la fin de notre entretien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous te souhaitons beaucoup de, de succès dans ton domaine. Excellente journée. Bye bye. Hein. <laughs> Chers auditeurs, on prend une pause et on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire entrepreneuriale de l'émission Le Niger sur Kalangu. Et aujourd'hui, nous allons à la découverte du groupement Lilwal de Dosso. C'est un groupement qui a un effectif de 273 femmes qui travaillent dans la transformation agroalimentaire, la couture, l'élevage, etc. Madame Hamidou Kadiarou, présidente du groupement, nous donne plus de détails sur son fonctionnement. Elle est interrogée par Grouza Hassoumi. liliwal din amantikala gurpamano kan wai bortayere ko nuno gara da bortayere chef da atelier iri mana kreye kalgi zambar ya fo da zangu yagga da waya gacin di yagga irdu ir tira kan girno dama ir mugwai kan sigine a grema gidi zambar hinka donc lokaco kirna gurupa wo singi irgo irboro wai cindifo so lokaco din ka hunkuna irgo bor zangu hinka da waye cindi hinza kan gogurpa mangodira liliwa lura wadin banda irdi lokaci goyo gogo kwai agoga te agoga bori irne irma kraye rezo e, inga ka kan irna rezo a kraye irga na se rezo da fam leader chef d'entreprise donc way bor wangare way bor ceci kwai way bor digay inga ko nunu ku bai ka rezo adinte rezo ramo ir gonda way bor tayore gono wai kan kanga te kurai gono wai kan kanga te nwari za barbara gono wai kan kanga te soce gono wai burai kan yanga te talam kwafir i gono danga ala kulli halin dai kan bugoyo do harai ma gano inno rezo adinte wata kan cirin na rezo adinte kaka dabu iri wani federation national des artisans du niger kan aikiti president regional des femmes artisans do salabo wana yeka chambre des métiers des artisans sigiria niger labora iri ka koy ka adere la chambre des métiers des artisans kan sigine semani iri go sata wadi mura donc hunkuna iri rezo adini iri gonda sata gucin di hinka kai inda go rezo adira kamar cer kambara iri go gogoi cer banda sande wannan centre wal hayo wai bore ni wai kawalu no wara nogi to wallahi iri wo iri ga ceci amma da baya inga yi ka irdu inga yi bonse zama da ir kwaice goyo kan kandu ni gaba go ir satara din ka irdo irga cabin sai fonda kan ya nigi him ka gana kan gana nim ka irdo ir mu goy banda dan ga son par exemple ay misambu ir gonda way boray fo kan te ji ji naturel ir rezo adini ir no tun kwado ir na cecir ne to am ka ka zama zamir ga ba irin kai don donon di ngwari zai barbar yan wodo hare ji ki ga funda ir sai labuwa ne il ga iri gwanda gwaigina kan ga jiye din kulte ifo no iri sirzan bon fere e a gane le local iri mai iri wana fu wana iri ma beran di iri ma gwaida don ka goyo waje gono a foyan mo gono iga wani goyo me isi bai fonda kan ga gana kan gana goyo iga ka irdo surtout iri wai botayore jirga no diplom nan kan no irgati masha Allah han fo irga bor sambar hin ka bor sambar hin zamar gu arai nora irga ne to ima kaka dabirga ima dugi ci borai se ima bai inga yiwo mai yanno ima yiwo ka duka bai goi no igo gate mai yanno him ka goi dai mai yanno mai him ka goi dai mai yan dono i him ka goi kanga nan igo yowo amate albarka mate monduma wai borai wo kauyo wai borai no do su gallora hin nan wannan rezo dai do su gergera na ga hagoida do su gergera ga cikan doso komino dinga environnement amma irin da ce daren yante nan guyen gona kan irko ga rezo dan danga irma ne balle yara irda rezo da fam leader gaya irda rezo da fam leader Dogan duci irgo solaga irga koi kan rezo dan. don doso wo kai dinga gergera bayan kulu irda wai bore irkan bugo kirkan baraga wai wani wani kurado hare don wari zai barbar yan wudu hare din san ne da ba cire ga gonda kwarai zafo no di ir gonda grupu ma kan to grupu ma waicin di iye mari te kono e da wala te kono dunguri za barbar koy lubatu te kono irin irni te sata sata irgo gani dan fonda ira kan ganan imi ngai sogono ngo boryanti kan ganan ngai mu gado ngai wani kan bana fa imi duka bai kan ngai mu wai bor wangari yan no kan gogo fur Niger labo ce dirawora sandai kamran godi daga tsine to sanda kai irgo gadi dai gwai gina do haraino zamaran bai di ne dirau bor gaba hankan rani ga furo ka koyni kel ñak fo sinaydu kanti moto wol porporo sanday hin kanta irga ba finan sama wana wana irga jinda da ir wani meriyo ga ir koy mate igo gama zama ingaino ga goy da partenaire gumo communaire irga ba dido ima fongo ir rezo dinga zama hankan irga te rezo ara aga ba gumo sanday hin zantamo irga ba woy bore mun ngai bongai ma feri ima ka ir ma i ise fondai. irsi ba kala ne da lokaci kaina a ciya tiga da gado haraino giyo do haraino lubato do harai dunguro do haraino imne irin ware ingaino irin nijar talato me a me gogon wa manta kalima kan da aka funar sai tare harai son dai ai me cino bo ir gwanda zone dom sigi hansa mashini hinka kan ini ir rizwano amma hina kan ga goyo tesi irsi wadin banda mo koyin ga sina kan irga ba zan kai kan yan irgo gono bon fere zamzan kawai borai zaino irga goida da da irnde no bon fera irga ba gwamnato mane dum im koy gorka tengai kan badigiya so wai boryan gona kan da lokaco woto didu billion hin ka miliyon hin za iga koy kala nan kan meno ka fege kuka ka girbi hin kima kuru irma ka barka da habaira Chers auditeurs, partant encore en musique avec le titre Bouge comme ça du groupe de rap 10 démocrates et de feu Fanflex. bouge comme ça. Non, non, non, non, non. Bouge comme ça. Baby, écoute ça. Bouge comme ça. C'est toi c'est la teuf. Bouge comme ça. C'est du whisky au coca. Mix le son pour ma clique à 10 pété quand ouais. Pour mes négros du rap pur du 1. Comme dit ghetto, que mon corps rêva. Détaché de l'underground avec Inansa. Merci, j'ai de l'école, la du Bon, aujourd'hui, c'est la teuf. Tout le monde doit s'engager force, pas kin, pas est et mets le choix à fond, sors tes nes et bouge avec le beat, entouré de tes bouches et les prenez pour garçon, le secret de la danse, par route, fais tomber les max, elle s'est zagano, compé, c'est wono, les gosses sauter les tricots, les côtés carré wancho, j'attaque, et m'baka j'habita. Chers auditeurs, bouge comme ça et les titres que vous êtes en train d'écouter du groupe des rap du démocrate et fait Flex. Le Flex était d'abord un animateur puis journaliste. Il a été l'un des plus grands promoteurs de la musique hip-hop au Niger. Beaucoup d'artistes ont eu la chance de voir leur single diffusé pour la première fois grâce à ses émissions radio et télé une roche à la fontaine de mon quartier, je médite en solo, pas le petit qui de l'eau. Flex est un flipper, un lieu de fais une balle. Passer du fait bengal à Cap Canaveral, à tous mes pères et mères, à tous mes frères et sœurs, sur la terre mère. Protège nos arrières, la vie est éphémère. Je vis dans une poussière, je vis dans une fournaise, oui, je vis à ma manière. Depuis les moments passés, classés, là c'est mon avenir, hypothéqué par la pauvreté de l'impur. Au fur et à mesure, à tout su, la déchet s'accélère pour nous autres, les sarcasmes, trois cas, c'est quoi que l'on fâche, les fâches, je casse fâche Je suis le big du top, Robocop, qui t'es pas tu fais la bac. Bouge comme ça, non, non, non, non, non, bouge comme ça. c'était là les titres bouche comme ça du groupe des rappeurs du démocrate et Fanflex. Partons à Tilabiri pour parler des anciennes pratiques qui sont aujourd'hui en voie de disparition à l'occasion de célébrations de mariage. Habiba, aujourd'hui, c'est un rite organisé pendant les cérémonies de mariage par nos arrière-parents sont de plus en plus délaissés. Chez les soirées, comment se fait le communiqué et les rituels de mariage Écoutons cet entretien de Balkissa Sadou interrogé par Boubacar Mourou. balkis sadu irga be kan wato din hije dihun kun hije iman tafu zam don na mo kan girse dihun kuna na me kan girse iman tafu mhm. don hije matuno igite da awo kai ai saban da kan irbun bodi kan irte inga ti watinin hija hala gite mati bonbon diga fayyan kwari zini no kon ngase aga fur windi windi gici jumma hani filani ngu kwari gondi hije sabai fur windi windi hali ci gabanu hali hija to bora kunno koy hija do hal bora koy hija asini windi kangi te kansikati nga haurutuwo imkati gisinji hali ikata gisinji arusai gite mudun kaya ngiga hanne ginga kurguto te kurguto susu baka ngwa hiyo guwa imgu kuba igika hande hani gite leli wandiyaisi hali ni lelo te dondong karaino gidi gudondong okar bar kulgin tala mote ni muka ni min bankare hanai da ni min han korbe da min sene da watin wura wonai no ni koy lelo do han ni koy lelo do don don kare gidi kare gidi gan taibur koy se biti koy se go bon bor yang no biskizi yang bor ay gare imni sim koy ngai ma hija te koy ma te bon kane woni don wono do songo hija iman tafu zamo don hija agte wondi girbi iye ni gate hija ja date girbi iye so hija zari follon no wo hijo din bay ko chino susba ni gbi gfatta girbi iyo modin du kurni kan d'al silam tare agini chawande agini hani alhamdo akain gina min chab jingaro matki ga teda ni ga ga nanga tilli mamu ni ga ga kal girbi iya am ja agini chawandi hal wodin bisa ir wandi ye lelo din ni te ban girbi ya to mi so ir zare kuna ru sai zare da wai higo zare ir mu do da isa wodi matugim yanno fa ko da gidan hijandi no alada daino in mi kanka mir ka taygi yandi hadir ka ir ka gari tirse saku sako di no wadda wadda ir kan ara ga hamai moni gi hina ma te dang surun dal hali iga dan watin faranti yan sin yara gidan koppai bun bo man ba imne tuyan ta sayar ra iga dan im kata singi singi wandi yai iga te ha mai ha mai bor gare sibadu ifu tuwo kan ne tu gati ballai wana bi wodin kara watin gi maro nere arano watin ga dan hal wodin te bora kul yan gaido sub suba wahi jo safuno wahi jo jiyo ki kate ikaga ga pat pat da lalla wadda kul gondin fatar mizi kaina watini labi belo wono patarim kaini kaini kaini kaini ma te bar kunni patarim kaina im joti kaini kaina lalla kaini kaini wadda ino gijin ga sambu hal war sambi ne wadda kainai hal wadda kainai sambu imne to sonwa ban amma almari irim charku bai jinjodo jinjigati wanda yayi wata ninga fareja ni te ba kul fareja iz fofo iga te danga bombu alhali arano wanda wadda dinga furo dinga yar wasai gora ra ga fakare wadda kainai ngai mom ya banda no dinga tuko bi gano dun dunya filan safuno kini fayi manai himandi manai nonda filan safuni bai konta ifo da a ta fiti na mina sabai kwai fo jasi mhm. ni kan ba bi foto nan kante ni man dutu nan di mai gindan wandi yira wodin kulu son wa asino kalen ya dir kwai hi jaido ka dai tan kata kan go te son hay kursin kal bizu bizu ni gine hansi hin ka me yim ka gi te chara chup de mo bi go wa hi jom bi ga fat ba wa hi ji ko ngai nan gi gare wallahi irsi woni bai ko korban do no wo fudir bo kalir kwai mizan kai ya marir kwai mi kan dai irsi hi mm. hijai ki gogite imiye kai hi hijai ga hi hijai ki gogite ir kwai mi no surara am te ko corona ma zu ya wallahi ir sabai amir mudun kayan bai eh to ni din wara don wono da kan di an ngai straight wala man ngai straight wallahi don wono ni ngai straight zambora an barka bi ci cini. hala ni bato gogite kul kan ata ya go koma gizai ni hawtu wo kalama tasu amma da ka an zura bon wal bo ma jare ka filana yo kan ga hina rani hala akwai tutuwai to tu zongu kan si kurabo rai bo tuwo hauro kalim yeg cindin seba tamara hun kun go kulban kadai ni gorg sino woni nyak fo sna kan nda go windi fo da hinam kan yawe kan gonsi ay go ngara il koy ga hadda il koy yega dogo nay fo zaman dir samo ne mo katir se illa bora am tayir se bongu da bay woni C'était un entretien de Balki Sassadou avec Boubacar Morou. Chers auditeurs, marquons une pause et on revient juste après. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Abdul, Karim, n'est-ce Voilà, Abdul Karim Hassim Grouza et dans la place, chers auditeurs, vous l'avez compris, c'est l'heure du sport. Bonjour Grouza. Bonjour Salamatou, bonjour Abiba. Bonjour Grouza. Grouza, poursuite de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Oui, nous allons parler d'abord euh, du groupe E, composé du Maroc, de la Tanzanie, du Congo, Brazzaville et du Niger. Les Lions de l'Atlas, leader du groupe E, affronteront euh, la Zambie aujourd'hui au stade d'Agadir au Maroc. Le Maroc confirmera sa suprématie ce soir devant la Zambie. Quant au Niger, le MENA devait jouer hier, mais le match n'a pas eu lieu à Kinshasa contre le Congo-Brazzaville. Les Congolais ont refusé de faire le déplacement de la RDC et ont signé forfait. Automatiquement, le MENA obtient donc les trois points de la victoire. Mais le Niger attend d'abord la réaction de la FIFA. Pour rappel, le MENA du Niger a perdu devant la Tanzanie 0-1 lors de la première journée de ses éliminatoires. À la deuxième journée, les poulains de Badou Zaki et de Zakriaou Ibrahim ont battu 2-1 la Zambie. Voilà une troisième journée qui offre un point Nigériens. Donc, le MENA est sur la bonne voie. La prochaine Coupe du Monde, c'est un rappel, de 2026 va se tenir du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, États-Unis et Mexique. C'est cette semaine que la 29e journée de la Super League doit commencer, n'est-ce pas, Grouza Oui, Abiba. Nous aurons la confrontation des Bérets Rouges de l'AS Garde Nationale avec euh, le Liberté FC et l'Urana Derlit qui croisera le fer avec euh, l'Union sportive de la gendarmerie. Au classement provisoire, la Garde occupe la première place avec 57 euh, points plus 33, suivi de l'AS Fan 57 points plus 25 l'AS Nigelec 47 points, troisième dans cette Super ligue du Niger. Voilà pour le sport d'aujourd'hui. Lundi, vous retrouverez Adam Sayro. Merci beaucoup, Grouza. Passez une excellente journée. Chers auditeurs, le Niger sur Kalango se poursuit avec la rubrique Portrait. Celui de ce vendredi nous amène à la découverte d'un jeune du nom de Abdelaziz qui est spécialisé dans la vente d'un produit phare de la commune de Madawa. Allez deviner de quoi il s'agit, Habiba. Assalamu, ah, alaikum, il s'agit du kilichi. Voilà. <laughs> Suivons les reportages de Mariamade pour en savoir un peu plus sur ces jeunes vendeurs. mai kimanin shekaru 30 a duniya fari mai matsakaicin tsawo abdulaziz sayyabu matashi mai sana'ar kilishi ne a gundumar madawa jihar tawa abdulaziz ya gaji wannan aiki ne daga ma'aifansa ya kuma yi muna karin bayani kan yadda aikin nasa ke gudana ina aikin nama yana kilishi ina lele haka zuwa bakwai abin da ya samu na ya gadon shi ga babana da kakana kuma a mafi akasari daidai aikin nama na ne kamar da lele kilishi da tallashi duk ina yi eh yana sayar da kaina kuma yana na wani kamar ni ina sayan nama in gyara kuma in yi talla abu na a yana dai siye sai in sayar kuma da kaina kamar zan sayi na wani sai in sayar in baya na shi kuɗi da ya sayar sai in hidda ta wuri ba kowane aiki na da tasa matsala amma yau matashin mai sayarwar yana biyan bukatunsa domin a ranar kasuwa yana iya samun cinikin jika talatin na sefa asa aiki ba a cewa ba a samun matsala ana samun kamar yanayi na kasuwa in kasuwa ba ta kenan dole kaga sai an samu matsala ga zamantakewa ta haya to wanga aiki inda kamar shi na da za a iya samun katamila ko san kemil haka abin da ya kasa ga ini shi kuma na talla kasan sai an sayar sai kai sati kana talla ko kwana goma ya da sati biyu ma kana yi kamar mafi aksari tun waye kamar in ta yaga tun waye haka zai iya samu 25 in yi ka 25 zuwa 30 haka Abdulaziz na aiki ne tare da haɗin gwiwar abokinsa tun suna yara aikin da suke yabawa sosai. Lawali ya muna ƙarin haske. Mun juma muna aiki tare, mun juma ma tun kenza hakan nan za a samu ko shekara takwas hakan nan ko bakwai hakan nan muna aikin kilishi tun dai muna yara muka tashi mun iska kakannin mu suna yi da iyayen mu kuma kin san wata rana mu ma za a zama to ba ma nan sai dai ɗiyan mu ne su ma suke yi za a zo a tambaye su kamar hakan nan game da wannan aiki wata rana za mu iya yi shi ya yi nashi in zo in taya shi mu je mu yi idan muka kare muka samu abin da muka samu sai mu je mu raba shi kenan mu abokane ne kuma muna tare kullum kullun yomi kusan kuma zaman tare za a yi samun saɓani kuma za a yi samun alkhairi kuma dole sai da a rika hakuri haka ne rayuwa take abdulaziz ya yi kira ga matasan nijar waɗanda su ne mayan gobe da su kama ayyukan ci gaban gashin kansu da gaskiya Reportage signé Maria Made rendu au studio par Asuma Nashina. Dernière balade musicale. Alors, Salamatou, tu nous proposes quelle chanson Bon, comme c'est la dernière, on va écouter Tal National qui nous vient avec le titre Lili Kourni. lele kuringe ala maida ala maida mola hame tedar baba sambai sai madene mola himama masawudu bebe kuringe no kuringe madina kuringe no babo yunus baba no maryama baba gigabai de l'orchestre Tal National. passion à la chronique Loti Habiba. De quoi parlent les femmes de la rédaction Salamatou. Les dépenses ostentatoires dans les cérémonies de mariage et les sujets abordés dans les lotus de ce jour. Les plus souvent, la charge retombe sur le futur jeune mari qui, pour se qui, pour se plier aux exigences de, sa dulcinée, pourrait être contraint de s'endetter. Quelle explication donner pour ces dépenses Réponse à suivre maintenant avec Zainabou Abdou et Aminata Bouboukar et Ismaël Harouna. Affairage, affairage, affairage, affairage. J'en ai ras le bol, Wallah, je n'en peux plus. Où vais-je trouver toute cette somme À chaque fois, vous ne faites que me demander de l'argent. Le jeune marié. Mon cousin, qu'est-ce qui ne va pas On t'entend depuis la porte. Hum, vraiment, cousine. Elle me fatigue beaucoup. Hier seulement, elles m'ont demandé 250 000 pour la cérémonie traditionnelle qui aura lieu la semaine prochaine. Donc, hier, tu avais donné 250 000 à la jeune mariée. Donc, hum, à moi, je pense que c'est toi. Hein. Oui, c'est avec ça, elles vont faire la décoration, la sonorisation, l'invitation des artistes percussionnistes, la tenue traditionnelle de la jeunes mariés et des filles d'honneur aussi. Ah, d'accord. To, maintenant c'est quoi le problème hum, Cousine, le problème est que la jeune mariée vient tout juste de m'appeler pour me demander d'apporter 500 000 francs encore pour les deux autres cérémonies traditionnelles restantes. 500 000 hey. Elle croit que tu ramasses l'argent ou quoi Vraiment, c'est trop. Attends, donc si je comprends, elles veulent faire trois cérémonies traditionnelles pour un seul mariage Justement, Wayna, ah, attends, attends. Pourquoi faire autant de dépenses Ils auraient dû programmer les trois cérémonies traditionnelles ensemble. Ce n'est pas mieux. Exactement. C'est ce que j'essaie d'expliquer à ma future femme. Mais elle refuse catégoriquement de comprendre. Anifa a refusé. Voilà, cousine, elle refuse. Attends, sort ton téléphone et appelle-la. Je lui parlerai personnellement. Oui, c'est quoi ces manières Faire trois cérémonies traditionnelles pour un seul mariage Elle croit qu'on ramasse l'argent ou quoi Allô Oui, chérie, comment tu vas euh, justement, je t'appelle concernant les trois cérémonies traditionnelles. S'il te plaît, chérie, on en a déjà parlé. Ça sera trois cérémonies traditionnelles successives. On ne peut pas les faire ensemble. On fera la cérémonie traditionnelle de l'ethnie de mon papa, celle de ma mère et celui de votre ethnie, comme je vais bientôt intégrer votre famille. On s'est déjà mis d'accord sur ça bien avant que tu n'amènes ta dot, ou bien Oui, mais je ne savais pas que euh, ça demandait autant de dépenses. Chérie, 750 000 pour les cérémonies traditionnelles seulement. Hé hey, chérie, Bani, a une Hé, tu sais qu'on ne peut pas changer le programme en moins de deux semaines de la fête. J'ai déjà informé les gens. Que vont penser mes amis Il ne faut pas me mettre la honte, s'il te plaît. Diam, je ne vais jamais te hey, Passe-moi le téléphone. Mhm. Belle sœur, nous te comprenons mais elle vient de réaliser que tout ça engendre énormément de dépenses. Avec les 250 000 qu'il avait donnés, vous pouvez faire les trois cérémonies traditionnelles ensemble. Et aussi, les invités peuvent par exemple porter chacun sa tenue traditionnelle. Mais les gens ne vont pas aimer. Parce que toutes mes amies qui se sont mariées ont fait leur cérémonie traditionnelle séparément. Pourquoi c'est à moi de les combiner Si c'est le cas, je vais tout annuler même. Ah non, non, non, non, belle soeur, faut pas tout annuler. Nous devons juste essayer de nous mettre d'accord faire des cérémonies traditionnelles est une bonne idée parce que ça nous permet de découvrir nos traditions. C'est juste que s'il dépense le paix qu'il a dans votre mariage, qu'est-ce que vous allez manger après le mariage, hein? Tu voudras également vivre dans de bonnes conditions après le mariage ou bien? Oui, belle soeur. Et n'oublie pas aussi la cérémonie du cocktail, qui demande d'ailleurs beaucoup d'argent vu le nombre d'invités, sans compter l'argent de la dot qu'il a amené, l'argent de la tresse, du henné, des maquillages, etc. Ne regarde pas ce que vont penser les gens. De toute façon, ils vont sûrement critiquer. Donc, il faut planifier les choses en fonction des moyens de ton mari. S'il avait les moyens, il n'y a aucun souci. Vous pourriez même faire les cérémonies traditionnelles de toutes les ethnies du Niger. Tu as vraiment raison, belle-sœur. Maintenant, comment on va faire j'ai déjà informé tout le monde et la cérémonie, c'est dans deux semaines. Ah, ne t'en fais pas, ma belle. Vous pourriez juste faire une des annonces. En annonçant que toutes les cérémonies traditionnelles seront combinées. Il y aura des artistes qui vont bien animer, il y aura des belles décorations et les invités seront libres de porter leur tenue traditionnelle. Et tu verras, ma belle, comment la cérémonie sera grandiose. Cela permettra aussi à chacun de promouvoir son ethnie. Voilà, c'est ce que je lui disais depuis. Vraiment, c'est une bonne idée ça nous empêche aussi de faire beaucoup de dépenses avec les trois tenues traditionnelles, surtout nous les filles d'honneur. D'accord, merci beaucoup pour vos conseils. Et désolé aussi chérie d'avoir contesté ta décision. Ah non chérie, tu n'as pas à t'en faire. Tout est bien qui finit bien. <laughs> voilà. Merci également à toi cousine d'avoir vraiment intervenu. Sinon, elle n'aurait jamais dû, pu accepter. Hein. Ah, pas de quoi frangin, c'est la moindre des choses. Et aussi merci à toi également belle-sœur pour la compréhension. Tôt. Puisque les trois cérémonies traditionnelles seront organisées ensemble, cousin, il faut leur augmenter un peu d'argent pour que la cérémonie soit inoubliable. Ou bien belle-sœur. <laughs> en tout cas, ton idée n'est pas mal. Ah ah ah. Vous recommencez. C'est les Allemands qui disent oui, bon, Bon, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais augmenter. Ok, chérie, je te laisse à tes occupations. Prends soin de toi. D'accord, chérie. Fais pareil de ton côté. À plus. Belle soeur, bye. Bye bye. Merci, un grand merci aux desk femmes du studio Kalangu qui ne cessent jamais de nous prodiguer des conseils. Chers auditeurs, accueillons Alamine Ouachar pour la culture linguistique. Bonjour Alamine. Bonjour Salamatou, bonjour Habiba. Bonjour Alamine. Quel est le mot de la semaine euh, C'est l'environnement. عن تماشاك بيان سور دغا تماشا قلنا نو الطبيعة فلقنا ويقالنا زلوان سموزدا تلي تنجوان نكنا واتي الدين التكاسزل فلقنا ويقالنا قلنا الطبيعة الدين أويندا فلاسة أن كل سلسة المثال فرقنا قلنا أقادمي هور أدير الطبيعة دغرت قلنا الطبيعة مانا تلا تنفع وين تقودنين فرقنا قلنا تمدو تنقادم أي هانتو أردا تنفع وين دين آمان دادو فلاسة ماسا الطبيعة تكيتت انت تهاكي تويدن المونت مدن انو مدور تهوسيت

Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. machir zakari ballayara zang borno kartiyagu ai gangan studio kalangu ai gangan niger sir kalangu bariyan balli chine zarmi china sanni france china ikudde igno igete asiptwane agi cinkangano den izami cinkino de labariyan kan kanvers igida rapen ir furta je wonai igida mo wonka yambisa kulni gidan kan borai gangan ya cine aci isufu ai gan foi gan bani ha bubakar ngimo ai gan foi gan bani ha si kala ne da ballara sha muhammadu ngimo gan foi gan bani ne da zarmai kurai kalangu goitere ma me fogo gi bane ha ti isufu idrisa kango e kola gore zado sani kora studio kalangu se gira lalle ya ga gi hangan ida er se rap yanda house kin do ndo ne din dai da zamani do ni do ne din ni o se giro gida talata kulu labare ki gano house kin bon inga na zarma ci ne bon inga da fulanci ne da ballaci ne inga da faransanci ne bon niger sir kalangu atin kulu kalamu koi jomu kulu ga guro e cin da fo kalamu guro e cin dinka no gal ay ko sabu studio kalangu sigiro se da go cere ma be kangabo dai zainabu abdu kango radio dalol nganda rabi kango zainabu abdu radio dalol ko arjarga mamma kan sigine hadiza kango sani kora ra kan sigine majir mofo nganda kira kan sigine yakuba kuli gone o hamalaz ko arjarga fi radio dindo mubaraka run ngina se balla yara to wallahi sigire ki gidan ki bawa la ba ceken ta kan jama'a fa isporo gamzin nyen ne furta jewana dalla vide fada da zaman don don ki gidan studio kalangu irna ma inga da wai bore zan kai ala ban fakara kuligida lan kurbo yino faranse gino ne sun zarmcine sintina ga chora fo kan si ne isu ara fo kan si ne majid da kadar da abdul karim da kadar ne ai mayo ummu salam tango balla yara aiga hangan studio kalan sigira igi labar tabbatan tenno wai bare sigiro labar kigno mo za atinno kalam koy mukwai ko alzuma niger sir kalangu za guru wakin difo kalam koy guru wakin dinka no igi sigira studio kalangu sigira labar tabbatan ten aigo ga nadia fo tango balla yara aigo ga zainab balla yara aigo ga aigo ga tantifo ka Ibrahim Chers auditeurs, ici prend fin cette émission de ce vendredi 7 juin 2024. Merci à vous de l'avoir suivi. On se dit à lundi prochain pour une nouvelle présentation. À l'édition, c'était Adam Adonwaki et la technique a été assurée par Mustapha Ayouba. Si vous avez raté l'émission, pas de panique, nos émissions sont archivées. Il suffit juste d'aller sur notre site web www.estudio-kalongo.org ou sur la page Facebook du Studio Kalongo pour réécouter l'intégralité de l'émission. N'oubliez pas d'écouter le programme du week-end actif des jeunes samedi et dimanche. Passez un excellent week-end. Bye bye. Bye bye.